Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs, ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela Housseni alias Seno et avec moi ce matin, Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Seno, comment tu vas ce matin Je vais bien, merci. Et on fait aussi un coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre à la technique, c'est Mustapha Ayuba et à l'édition Adama Dawaki. Alors c'est nous, quel est le menu du jour Comme d'habitude Fanta, il y aura le flash d'informations pour débuter, de la bonne musique nigérienne, du loti avec le desk femme du studio Kalangu, le sport avec notre chroniqueur sportif du jour Guruza Hasumi, de la culture linguistique sans oublier la revue de la presse présentée chaque vendredi. Et dans la partie entretien du jour, nous allons écouter Boubacar Ousmane Wanzam, coiffeur traditionnel Adifa qui nous parlera de son métier. Nous terminerons avec vos messages vocaux, chers auditeurs. Installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure d'égaiement et d'infos. Sans trop tarder, voici le flash d'infos avec Nafissa Adamou Bonjour. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Les trois ressortissants nigériens arrêtés sur la plateforme pétrolière du port de Sémé au Bénin le 5 juin dernier par les arrêtés par les autorités béninoises sont rentrés au Niger. Ils ont été reçus hier après-midi par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade à Rahman Chani. Les autorités béninoises le reprochent de s'être introduit illégalement au Bénin. L'entreprise française d'exploitation d'uranium Orano a pris acte hier jeudi 20 juin de la décision des autorités du Niger de retirer à sa filiale Imouraren SA son permis d'exploitation du gisement et ce malgré la reprise des activités sur ce site conformément aux attentes qu'elle avait exprimées. À travers un communiqué rendu public sur son site, Orano rappelle que l'entreprise s'est toujours inscrite dans une démarche responsable de partenariat et de transparence, agissant en concertation continue avec l'État du Niger et les parties prenantes locales, notamment dans le cadre de la feuille de route ambitieuse et de long terme définie dans l'accord global de partenariat signé en mai 2023. Enfin, l'ONG Reporters sans frontières a exprimé mercredi dans un communiqué une vive inquiétude après la décision du Niger de réintroduire des des peines d'emprisonnement de la loi réprimant la cybercriminalité. L'organisation alerte sur le risque d'abus de cette législation pour emprisonner et censurer les journalistes et appelle à son abrogation immédiate. RSF estime, je cite, que cette modification permettra d'attaquer un journaliste comme un simple citoyen à partir du moment où ce qu'il dit est publié en ligne. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa pour ce flash. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt dans dans la partie entretien, nous allons écouter Boubacar Ousmane Wanzam. Il est coiffeur traditionnel à Difa. Oui, mais avant, savourons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Fanta Il s'agit de Timmy de l'artiste Brema Disco. c'est le titre de cette chanson que vous êtes en train de savourer, produite par l'artiste Burema Disco. Créateur du groupe d'orchestre Donomé Super Bonkane en 2001, Ibrahim Mamoudou, connu sous le nom de Burema Disco, a fait ses premiers pas dans le domaine de la musique avec euh, l'artiste Eric Pong. Oui, Fanta, Burema Disco était d'abord talibé dans son plus jeune âge. Il était au Nigeria, pays voisin, pour apprendre le Coran. C'est une fois de retour au Niger qu'il commence à suivre le groupe d'orchestre en tant que ramasseur et danseur. Effectivement, c'est un très bon danseur du disco à l'époque, d'où le nom d'artiste Breme Disco. Et c'est comme ça qu'il fait ses premiers pas dans le monde de la musique. C'était parti alors pour une belle et longue carrière, pleine de belles chansons, surtout sur le côté social. Eh oui, mais toute chose a une fin. Il a arrêté la musique il y a quelques années et s'est reconverti dans la vente des véhicules d'occasion. wallahi da wanda ka wanda Chers auditeurs, c'était là le titre Timmy de l'artiste Bourema Disco. Nous osons espérer que vous êtes bien installés, surtout dans ce beau temps qui se dessine ici à Niamey après une bonne dose de pluie. Hein. La capitale Niamey a été arrosée ce matin avec une bonne dose de pluie. Fanta, ça se passe bien Ça se passe bien, c'est nous. Super. À présent, écoutons l'entretien accordé par Boubacar Ousmane dans Wanzam.

<clears throat> mu a nan ma nan dai garin difa zaman da muke duka duka duka dada da muka taso wanzami akwai tsashin mu da aka gaba gare mu akwai alhaji isaka akwai mamman akwai wanzan gurgu wanda yake wajen gidan murgan alto waɗanda suke gaban mu su ne waɗannan tsaffi yawa da sarkin aska to mu daga baya da muka taso muku mu ɗiyansu ne a nan gari yau shekara nawa gare ku ayya ni na yanzu shekara 84 ni kaina ni kaina yanzu kuna yi ku gaya muna mu fara da aski kakanin askin na kuke ishi daban da wasu wanda ba wanzan ba menene bambancin su eh, akwai akwai wanda a wanzami akwai wanda ba wanzami ba akwai wanda yi shige bai gada ba akwai wanda ya gada kasan ba ɗaya bane to mu gada muka yi iyaye da kakanni muka gade shi aski dama ka san shi in ya taso in ka taso daga wari kana biye da tsafinka ne haka koya in ka koya aski ƙaho duka wannan kana yi in ka taho tare kakanninka to wasu kuma sun ɗauka ne daga sama ba dan sun gade shi ba ne eh, to mu mun gade shi ne iyaye da kakanni a yanda muke yin shi yanda muke yin shi aski dama ka san dama daga askin yaro daga ka taso daga kana yaro kana koyon shi ne kuma lokacin da da muke da ba nan ba ma mu muka koyon shi can yamma da muke tayya nan da yamma da muka taso mu koma na tare iyayenmu muna tayya yawon wanzamci cikin gari gari gari gari gari haka na gargajiya na da ku je yawon wanzamai tare da makaɗa kuna wasanni kuna gwada mai gokuri abinda ku kowa abinda iya zai koya zai gwada a wurin hilin wasa wannan a gane ko to duka wannan mun yi shi zai muka bari kuma mu komo nan da yake dan ba gida bane ni mutumin kasar tawa ne to muka komo nan mun ka san yawon duniya an ya kaka babu abinda ba za ka yi ba muka komo nan da zama kuma lokacin da na komo nan da zama kuma hali ina dai kaman haraka tuki mai kani ina wanzanci ina tuki kuyi muna eh, sana'a aski kaka ne ake annan aski in mutum ya zo yake a mai aski kaka za ku yi shi da mutum in ya zo yake yana son aski dama mhm. yau za ka yi mishi aski kuma askin da yadda ne yanzu ba ɗaya bane yanzu aski ne yanzu ya zama kamar na bangare amma na da da an aka taso ba a ma biyan ku kuɗin aski sai dai ka yi ma mutum aski ko ɗiyan shi ko min shi duk gaba ɗaya sai kaka a ba ku wani dame dan ma na hatsi ko na dawa to na yanzu ya zama askin ba irin na da bane kuma a nan yanzu da muke nan aski ya riga ya bambanta ba irin na da me ya bambanta zamanin da na sai kai mutum aski wani ya baka naira hamsin wani ya baka naira ɗari yanzu sun kawo sun ƙara mai aski kuɗi a hannun aski in ba ɗari uku ba baka shi ba a maka kaga ke ya fitar daga gargajiyanta ko ya koma zun neman kuɗi wani kuma ba ma gada shi ya yi ba ni ba na ɓoya ba gada shi ya yi ba ya shige ne kawai ya yi yana yi amma aski bai kamata wani ma bai san ba ka hiyan maka aski ma ta kai mishi aski ya tashi tima bai ka bashi ko dala ba bai baka ko dala ba ka hakura ka tai dan ka ga dan ka tun da albin albin albarka ne gado shi ne kai yanzu a yi muna hiran wannan eh, kace da ake ma yara yara wani lokaci ne ya kamata a yi shi koko in an yi shi kaka ne ya kamata yaran nan a yi mai kan kai ya ji kaciya ko mm. ai ta kaciya ka san yadda take akwai kaciya wanda wanda kari daga wata shekara bakwai adadin shi da da shekara bakwai ne ake yin shi to yanzu ya zama ba irin na da ba ne sa'annan yaro ya yi wayo ya yi komi da komi ake yin shi ka gane ko to yanzu ya zama ba irin na da ba ne yanzu yaro wani ma daga ran in an kai sunan shi ma washe gari sai a zo a yi mishi kaciya ka san ba irin da ba ne ko yawa to amma na da bakwai shidda duka ana yi kaka ake yin shi a da a da shine shekara bakwai ake yin shi daga shekara bakwai abin da ya kasa wasu an ce ana tara ne du yaro eh, yara a tara yara ba sai wanzami guda ya musu kaciya zo ya musu kaciya a yaro ko nawa ne ma ko goma ne ma in kai kaɗai kana iya ka zo kai musu kaciya ko goma ne ma kana iya kai musu kaciya kuma ba abin da zai faru kuma su sa su warke lami lahiya su sai kayan su warke suna kai wani a wasu ba su wasu sun daɗe ma su yi wasu sati biyu wasu kuma a sati ɗaya ma sai sun sun sun abin gashi nasu ya bushe ya mata na yanzu wani illa ne ya ce iya ba wai ba ba da illa komi hmm. babu wani illa duka dai in aka yi shi in dai kaciya a ce babu wani illa ko an yi shi an yi ma yaro sati guda ko an yi ma yaro sati guda zai wuce ba abin da zai same shi komi bai same shi a gane ko ba abin da zai same shi bai bai kawo wani illa babu wani matsala mu dai ba ga wani matsala da yake kawo tunda duk kowane muna yi eh wasu suka ce in an yi sauri ma yaro kaciya eh, bai yi karfi na yaro eh, wannan sai na jinjiri ne ake gama na jinjiri wanda an kai ma kaciya yana jinjiri kamar an ahe shi kenan an yi suna kamar yau ko sati ka zo ka mishi kaciya shine ake cewa baya karfi irin na wanda yake kara bakwai ko shida ba dai bane Chers auditeurs, avant de continuer cet entretien, suivant à présent la revue de la presse avec Mokhtar Amadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Fanta, bonjour Ali Moukaila Hosseini. Bonjour. Alors Mokhtar, nous ouvrons cette revue avec euh, un titre de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui annonce, je cite, Sous le coup d'une deuxième mise en demeure, Orano annonce le redémarrage des travaux d'Imouraren. Oui, Fanta, selon le journal, dans un communiqué en date du 10 juin 2024, Imouraren SA annonce la reprise de ses activités dans le cadre de l'exploitation du jugement d'uranium Imouraren au nord du pays franchissement d'un nouveau jalon, événement qui marque une étape cruciale dans le développement économique et industriel de la région annonce le communiqué. Le projet Imouraren est une priorité pour Ourano et la société s'engage aux côtés de l'État du Niger pour démarrer l'exploitation des jugements le plus rapidement possible. Les conditions actuelles du marché avec une hausse favorable du cours de l'uranium ont permis d'envisager une mise en exploitation d'Imouraren à travers le jugement IMCA 25 P profond et pour le des travaux de découverture ont été déjà réalisés avant 2015, explique le communiqué. Pour sa part, le journal en ligne Acti Nougère nous apprend que les autorités nigériennes de transition ont mis à exécution leur décision de retirer le permis d'exploitation du jugement géant d'Imouraren SA dans le nord du pays à la multinationale française Orano ex-Areva. Cette décision fait suite aux mises en demeure adressées ces derniers mois par le ministère des Mines aux géants français du nucléaire, exigeant la relance du gigantesque projet qui était en stand-by depuis des années. Alors Mokhtar, tension Niger-Bénin, n'y a-t-il aucune diplomatie avant la guerre s'interroge l'hebdomadaire Niger Inter. Et oui, Ali Moukela selon le journal, on ne parle pas encore du bruit de boîte sur la frontière entre le Bénin et le Niger, mais la situation entre les deux pays est à son comble de part et d'autre, on semble laisser monter l'escalade de violence. Les discours en provenance des deux capitales sont chargés de lourdes accusations de part et d'autre, avec notamment sur rocambolex incident diplomatique qui a subitement fait monter la tension d'un cran. Il s'agit de l'arrestation de cinq hauts fonctionnaires nigériens composés de la directrice générale adjointe du WAPO Niger, accompagnée des inspecteurs pétroliers qui s'est rendu au Bénin pour le contrôle euh, du chargement d'un tanker chinois qui devait charger le pétrole nigérien sur le terminal de Semepoji. Depuis lors, c'est une, cascade de communiqués au relent guerrier qui s'est fait entendre des deux côtés. De son côté, l'hebdomadaire La Route de l'Histoire nous apprend que le samedi 8 juin 2024, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a réagi par rapport à la détention par les autorités du Bénin des membres d'une délégation officielle nigérienne conduite par la directrice générale adjointe du WAPO au Niger, Madame Aminu Hadiza Ibra. Ce communiqué de presse au plus haut sommet de l'État intervient après la sortie médiatique du ministre nigérien du pétrole, Maman Moustapha Barkabako, et son homologue de la justice, Alio Daouda, à travers un point de presse animé le jeudi 6 juin 2024 dénonçant la, violence, la violation des accords du transport du pétrole brut nigérien par le Bénin et menaçant de couper les vannes du pétrole à l'expiration de l'ultimatum lancé le même jour par les autorités nigériennes de transition. Selon l'agence nigérienne de presse ANP, les trois agents du WAPCO Niger détenus au Bénin depuis le 5 juin dernier, ensuite libérés en début de semaine après avoir été condamnés avec sursis, sont arrivés à Niamey en fin d'après-midi d'hier, jeudi 20 juin 2024, où un accueil chaleureux leur a été réservé. Et pour boucler cette revue, dès la presse, on peut lire à la une du journal Actu Niger, Journée de l'enfant africain 2024 le RJDH appelle à l'inclusion et à l'égalité des chances pour tous les enfants. Et eh oui, Fanta, le journal nous apprend qu'à l'occasion de la journée de l'enfant africain, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH souhaite rappeler l'importance de cette journée et réitérer son engagement en faveur des droits des enfants au Niger et en Afrique. Cette journée commémorée chaque 16 juin nous rappelle le massacre de centaines d'enfants à Soweto en Afrique du Sud en 1976. Ces enfants manifestaient pacifiquement pour leurs droits et à une éducation de qualité et contre l'apartheid. Leur courage et leur sacrifice ont marqué l'histoire et continuent d'inspirer les luttes pour les droits des enfants à travers le continent africain. Le thème de cette année, promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances pour chaque enfant, met en lumière la nécessité de garantir à chaque enfant l'accès à une éducation de qualité, à la protection contre la violence et l'exploitation, ainsi qu'à des opportunités égales pour leur développement et leur épanouissement. Au Niger, des milliers d'enfants sont encore privés de ces droits fondamentaux en raison de la pauvreté, des conflits et des inégalités persistantes. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 21 juin 2024. Merci Mokhtar euh, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci. Chers euh, auditeurs, nous poursuivons avec la suite de l'entretien sur le métier de coiffeur traditionnel avec Boubacar Ousmane dans Wanzam. Il est toujours au micro de Habibou Garba. da yaran mu dai su suke yi amma ni ban a wani lokaci ne ana hudda kahon nan kaho a kaho ke shi in ana yin shi ma ana ba lokacin ana yin shi da sassafe lau ana yin shi da rana ana yin shi da marece sai mutum yana da wani malati ne ciwo ko ciwo eh in kamar kana jin ciwo a wani wuri ka wa ai min kaho ka ji yanda yake eh ko da wani lokaci mu yana iya an ce mai kai kaho yana yi shi kuma bai da wani illa bai da wani illa in dai mutum dama ai ka san mutum ba zai ce a mai kaho haka ba ba sai in yana jin ciwo a wani wuri yake mishi in baka jin ciwo in kana jin ciwo sai a maka ko a bayanka ko a ƙirjinka ko a kafaɗanka ko ina in dai kafo ne yanzu yara suna son wannan aikin wanzami koko eh, zancen zamani ya sa ba so ko da sun gada ne a'a wanda sun ka gada duka kowanne suna yi tunda ni kaina akwai ɗana wanda yake in ba duk da Allah mai tuka bana ba shi kowanne yana yi yana yin na yana yin na gargajiya wannan yana yin na yana yin na na gargajiya na yanzu da ake na gargajiya wannan na na abin aski makana wannan yana yi yana yin kaho yana yin kai komi yake kawai kowanne kuma yanzu kanina ke yi eh, yanzu kanina ke yi kenan zamani bai sa yara suke ba wasu ba su sake in ka ga wanda ba su yi to wanda ba su gada ba wanda bai gada ba ya zo ka shiga kana aski na na na eh. na na na shago wannan na eh. abu yana yi ba ya yin kaho kuma ba zai ba zai yi kaciya ba wanda bai gada ba ya yi. kuma wannan eh, koti da ake hudda mutane kuke yin shi wani zamanin da ne wannan yanzu babu shi yanzu babu shi ah, wanzam ne ke yin shi amma yanzu babu shi hmm. yanzu an daina wannan an wuce da shi ba a yin shi hmm. eh tsago wannan haka ko a eh. ah, wannan yanzu ya babu wannan hmm. wannan an wuce da shi yanzu yanzu ba kowa ke so yi dan shi wannan ba ba a yi ma san san dama wani yanzu in an kai suna an kai ce dan shi ka ai mai tsago turan suna ke yi a da eh ba da suna ba wasu sun girma ne ake musu mm, kamar yanzu marar suna a kowane wasu cewa ka ai madan su tsago wani kuma suna cewa a yi tsago na fudda jini na ciki haka mm-hmm. duka suna sawa ana yi to shi ne a hudda a tsaga ciki a hudda nan kadan kadan shi ma kadan kadan ne ake yi merci baba mun gode Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, c'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Fanta, nous sommes vendredi, nous allons parler entrepreneuriat. Exactement, et notre rubrique porte aujourd'hui sur le groupement Intamade qui veut dire aider les jeunes. Ce groupement dirigé par Madame euh, Tamoumoun Amouchoukou a été créé il y a six ans de cela dans le département de Tiro, région d'Agadez. Une quinzaine de jeunes filles non scolarisés suivent euh, des formations sur euh, le bon vivre et les activités génératrices de revenus. Suivant l'entretien qu'elle a accordé à Hawa Ousmane. muna aiki tare da yara kamar yaran da aka fidda cikin lokal suna yawo hakan ga muna jawo hankalin su kadan kadan muna suna zawa wurin mu muna koya musu eh, aikin harakar kaba muna koya musu rini muna koya musu tricotage muna koya musu kutir na dururuwa muna koya musu bugun alkama kuskus muna musu aiki da yawa saboda su maido hankalin su nan ga wannan ayyuka su fidda ma kansu takaici yana rage musu wani tahe-tahe na banza in suka yi suka saida su samu wani masu wani abubuwan dai da ya kamata su ni yanzu haka ina da su tabarkalla yara a gidana tallafi da ya ba mu da sai dai in jawo su yi kokari dai kankanin mu nan muna koya musu yanzu haka towa gari na yana kan lauje yariya goma sha biyar gari na koya musu nan cikin gidana ita wannan kungiyar ta so ta fara koya ma matasa tana jawo su tsawon shekara na kai kuna ga aikin wallahi yanzu dai zan ce miki ina zama muna cikin shekara na shida kuna iya gaya muna kamar irin matsalolin da kuke ganin cin wannan aikin wallahi muna samun matsaloli saboda kin ga kaba yanzu sada gare ta mm. komi na duniya ga yanzu ya sake yana da sada tc wanga da muke sai murna yana da sada kayan rini da kansu sada gare su to dumki wannan zare na kutur su ma sada gare su shi wannan kaya in kun yi su ina kuke kai su kuna saida su kin gani ana kursale muna tahiya in ana wagga fuwar kin ga fuwa shi ma muna tahiya in ana festival lokacin da ake na ifirwan kin nan muna tahiya kuma ana wani sabga man kauye za ka tafiya ana sai ka bada a saida ko wani daji hakan ga kina da wani jan hankali zuwa ga uwaye magabata da masu hannu da shuni muna nema su kama mu bisa wannan duniyar yanzu ga ta ga kamata yanzu Allah na taba yara da Allah da ubangiji shirya mu musu muna ta kokari dai abin da muke so gare su su mu tallafi Voilà, c'était là la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. Sinon, nous allons encore une fois de plus déguster de la bonne musique et cette fois-ci, une chanson d'amour chantée par Ali Atibidi. Ça donne tout simplement Bakassine qui veut dire amour en zarma. On écoute. Bakassine, c'est filana wala filana makasinay sina filana filana wala filana mabani bako eh eh eh ay manaba ay min binasara ma alhanay shay ay manaba ay min binasara ma alhanay shay mabani bako induniyara ingano fonda ke kayente bakasine madiyengeno irma batere bakasine matizaubano irma batere bakasine sinde filana filana wala filana bakasine sinde filana filana, wole filana. Mkitem, Salami. Day madinin asin dalagal, no. Day madinin ay sumakani, nino alfindi bako. Bakasinay, sinapilana. filana filana, ole filana. Et oui, Bakasine, qui signifie amour en langue jarma, ce morceau empreinte de douceur et de passion explore la nuance de l'amour avec une mélodie captivante. La voix chaleureuse de Ali tibili associée à des sonorités traditionnelles crée une ambiance à la fois intime et universelle, touchant le cœur de chaque auditeur. Et oui, Bakasine se distingue comme une ode authentique à l'amour, résonnant profondément avec la culture et les émotions du Niger. Sidi I've been back home. Masu hangan na borai se. Hangan nibina. Baka sinai, filana. Filana, wala filana. Baka sinai, filana. Filana, wala filana. Ai kan I fundo, ai bina gaba. ingano ay bakasine fahamaino irma baatere bakasine Il irma baatere j'ai pas voulu te faire du mal jusqu'à tu refuses de ne plus me voir j'ai pas voulu te faire du mal jusqu'à tu refuses de ne plus m'écrire pourtant tu sais que je suis ton amour Et pourtant tu sais que moi je t'adore Na nasoki gane kisan kinura kisan da so bai da magani so mai san kashi ne riba kaka sha so mai san kishi ne riba kaki shawiya wuya dai madinin asin ga girbi baka sinai no makasini sina filana filana wala filana bukan gaba sidi bortali ay binu bako masa hanggan boraise hanggan nibina bakasini sina filana filana wala filana Bakasine, bakasini sina filana voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, direction Agadez pour euh, l'écho des régions pour parler euh, d'une tradition dénommée couscous. Il s'agit d'une cérémonie qui vise à purifier une femme le septième jour de son accouchement afin de d'échasser les mauvais esprits et en apportant des bénédictions pour la santé et le bien-être de la mère et de son enfant. La cérémonie du couscous est souvent accompagnée de chants, de danses et de rituels symboliques. suivant le reportage de Saadatou Malam Baba. Kuskus wata al'ada ce ta agadisa da ake yin ta daren suna inda mace bakwai ke rabon tsintsiya tsakanin su tare da wake na musamman na kuskusa tabi, rawa da kuma buɗa. Mace ta bakwai ita ce ngozuma kuma ita ce take doka jariri a lokacin yin kuskuskin. Ai wata litujuwa da ta ɗauki shekaru tana ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorancin yin kuskuskin a lokacin da aka yi bukatar shi. Yarinya in ta haihu aka yi sati inda daren sunan nan a mata kuskus kuskus ko cewa aka yi kora ajiye ka. Kakane ma ake buga shi kuskus. Da ka za ka fara mita za ka yi bismillahir rahmanir rahim. Kamar su mace nawa ne ake son mace bakwai in tsiya cikin kyala da hannun su. ya ta zo ta kama ta rarraba ta a mata kaso bakwai. Shiga da fita ne a ga ana kuskus sai an kama. Daga wurin mai haifuwa. Daga wurin mai haifuwa. Haifuwa ake faro shi a ce akuskus akus akus kuskus ina akus sangida kuskus a gilwa ni gamma dan da ya hala ungo zoma kuma ta ɗauki da mace shiga uku ake mata mace shiga uku ake mata namiji a bisa shiga fudu eh kenan shi kuskus kin nan da namiji da na diya mace banban ne da banban ne eh, ba dai ba ne mace ai na namiji ya fi mace komai abin ta ko ta ga al'ada ta uwayenmu da kakanni nan dai cikin birnin abda ana ce da ita shi dai kuskusa da dadda al'ada ce tun uwaye da kakanni da ake gabatar da ita a birnin abzin kuma ita wannan al'ada tana nufin kore iskoki ko kuma aljanne da ke kusanto mai biki a cikin waɗannan kwanukan da take zama wannan al'ada ta al'umma abzin na alfahari da ita sosai kuma ba ta da alamun bacewa a cikin al'adun agabis. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. À présent, chers auditeurs, accueillons Hassoumi Gourouza, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour euh, Fanda. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, la 31e journée de la Super League du Niger se poursuit sur les différents stades du pays, n'est-ce pas Oui Seno, euh, le Sahel Sporting Club de Niamey a été battu par l'Ice Garde Nationale sur le score de 4 buts à 2. Défaite également de la GST de Tawa 1-2 devant l'AS Fan de Niamey. Jean-Gorzo de Maradi fait match nul de 2 devant Urana d'Arlit. Au classement général provisoire, AS Guerre Nationale sont 6 points, AS Fan 60 points, AS Nigelec 56 points, AS Douane 48 points, USGN 46 points. En bas du tableau, nous avons la GST 26 points, Tagour de Dosso 25 points, Akokana 21 points. Et parlons de classement à l'échelle internationale. La FIFA a sorti le classement mondial des équipes nationales pour le mois de juin. Oui, Fanta. C'était hier euh, jeudi 20 juin 2024 sur le site de l'instance internationale du football FIFA. Sur le plan africain, le Maroc occupe la 12e place, le Sénégal 18e, l'Égypte 36e place. La Côte d'Ivoire 37e place, le Nigeria 38e place, la Tunisie 41e place, euh, l'Algérie 44e place, le Cameroun 49e place, euh, le Mali 50e, l'Afrique du Sud 59e. Voilà le top 10 africain. Ok, Gourouza, le Sénégal va accueillir en 2026 euh, les 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Oui, et c'est le premier pays africain d'ailleurs à avoir l'honneur d'abriter un événement sportif olympique. Ce rendez-vous va concerner seulement les jeunes de 15 à 18 ans. Il aura au total 239 épreuves et 11 équipes mixtes. Mixtes, femmes et hommes. Voilà. Les JO euh, de la jeunesse Dakar 2026 représentent euh, un catalyseur euh, et une transformation sportive, sociale, culturelle, éducative et économique qui crée euh, de nouveaux espoirs, de nouvelles opportunités et de la confiance d'ailleurs pour les jeunes. Voilà pour le l'espoir. Merci beaucoup, Grouza, pour toutes ces informations sportives. Merci. Chers auditeurs, poursuivons cette édition avec euh, la rubrique portrait. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Ali Mbouza un passionné des chevaux, au point où il a fait de l'équitation un métier annexe à son activité principale. Oui, c'est lors du Festival international Doki Iska de Filingue que notre collègue Samira Rouafi l'a rencontré. Voici son portrait. Trentenaire, 1m70, mince, Ali Nabouza est un taximan passionné d'équitation depuis sa tendre enfance. Mais qu'est-ce qui explique son lien si fort avec le cheval Ali répond je passé plus de 25 ans dans la course des chevaux. Je suis toujours avec les chevaux à Niamey. Vraiment, il faut être un initié pour comprendre le cheval. Le contact avec le cheval se fait dès le bas âge. C'est en ce temps-là que tu vas comprendre l'animal. Être jockey et avoir une autre activité parallèle à celle-ci n'est pas facile. Comment concilier les deux la course des chevaux, c'est tous les samedis et le dimanche. Donc, du lundi jusqu'à vendredi, je peux prendre mon taxi pour travailler. On s'entraîne le mardi et le jeudi. Le samedi, c'est la course. À vrai dire, je préfère les courses des chevaux que de faire de taxi, à mon avis. Grâce à l'équitation, Alina Bouza a voyagé dans plusieurs pays de la sous-région et prépare chaque trimestre au moins une compétition internationale. Quelles sont les conditions pour être un jockey c'est obligé de faire un régime. Tu manges le matin seulement. Tu ne peux pas manger à midi. Il faut être léger. Tu me vois ici, je pèse seulement 48 à 49 kilos. Il n'y a personne entre nous qui dépasse 50 kilos. On bannit le poids. C'est juste 50 kilos. Au-delà, tu peux pas monter sur un cheval. Le cheval ne supporte pas au-delà de 50 kilos. Si seulement tu as 40 kilos et moi j'ai 50 kilos, si les chevaux ont la même vitesse, tu vas me dépasser parce que je suis plus lourd que toi. Pour Suleiman Abdulkader, Ali Nabouza est un bon compétiteur redouté. Surtout, c'est une personne facile à vivre. Nabouza, c'est un ami sincère. Il a gagné plusieurs trophées lors des compétitions nationales et internationales. Beaucoup de gens le craignent. Quand il monte sur un cheval, il aime le fair play. Il est gentil avec tout le monde. Je lui souhaite un bon parcours. Au Festival international de Kiniska de Filingue, où nous l'avons rencontré, il a fini troisième deux fois de suite et se dit prêt pour d'autres défis. Et après ce portrait très inspirant de Ensemble, notre dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui. C'est nous, tu nous proposes quoi Eh oui, euh, je propose le titre Auré du groupe Albichiri de Chiro. Après cette belle musique de Albichir de Turo, pleine de sens et de conseils, on va passer au loti du jour. Oui, Fanta, aujourd'hui, euh, cette rubrique sous forme de sketch que nous proposent les femmes du studio Kalangu pointe de doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. Et c'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Loti Loti godin ce mata kanga dona rahamu rahamu rahamu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari san ke wura ha ba hamu ifo no ni goga te fu wura ni izo go tarai filo wura ha kai ni gicin diya maskan dai wura ifo subhanallahi <laughs> habibu habibu mana diyai sai mana ma nan ka tiyan boba in gida ne ya irkoi he ai sabuni se irko hinno ga bai hankan ga hingite da man kan ai duka lokaci ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jinga foga gina zo sambu kan kan da yoga kai ni gicin diya mu koi ha kwen don da kan ga wallahi kan singa bai zan ba ku si fi ga irko ai sabun si don da kan da yo dira ifo ne gine babo si son wo kai dai irko na sai ti haikul manduwa amma ga mu ai singa fahimmat kin ni ginga ci kai nawo na habibu ne ha windo ganda ga ago fogo kwen nig beka akan gwanda da kiman dabu wani wallahi ni begi no gagan sai windo din si gabai hmm. ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote kwai ne mo ni gabai amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo no bonde ni gabai kan wati kulne ai ga zo lakkalai kendi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asidingamu ai ma ni gicim amma ni himga hagwai ni no himga hagwai da da yowo da bu yongo wat kulkanci ne igwai gbanda ba dai bo fon da mu kwai dai dini bon si halin da boli mana da bu kwai ne ai sibabi an kan na ngo te da window wora son zamanu wora kan pompo ne anan kula agan bombo pompi ga gan window hmm, habibu baba watu kul daidai na sai imu da yowo wi dai amne si ha inga gaba anga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha am fonde ki gana mm. hali foga singi wendera amma hal wadinka nihim ga hago da <laughs> yowo im ba no wal haifo forajo ma ga hago bori duk kai mbo halasi yan wose anai se inga ni halim kaga hayo to aga bori amma wallahi gici ni se ko ci bori hali ga forajo wo banande insha Allah insha ami ay bumbo day bonno ga cinga dayo guna hal day akka ga forage wo goyo te ay bumbo day bonno gati guna ko sai din dinya kan kan dayin kwa mboda baro na ai se ay bumbo ila kale kultunu me ai sabu ni se wallahi ai sabu ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ai gono ga girbe mun babai hankanti chers auditeurs. Après c'est l'outil accueillant à présent Lamine Ouachar pour la culture linguistique en Tamashek. Bonjour mine. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Le mot Et de la semaine, c'est désertification. Oui, c'est la désertification da dernier chiwul c'est une désertification da فرانسيس موسى de تفر تلو تزير دغر la هزي زي نمدال désertification معناه ني تا الدنيا ما سا امدال madan tutasni wenna tatti mosan ishkan edlamsan wenna ilsenin eh, madal arta وين أدي وين سا مدال فرتشيت الصحراء دغادي أستصودا ما دغا أرتويق لنا الدنيا تمرد إيدا كنكول أمين عند المسالة النزيز إن مدال دا أرتوا إي ويدو سيتي دن إيجت نوصلو إي ويدو سيتي دن إيجت نهوجر لغادي يوصلوا واتا جيني ترني ادور تيجينا لغدر الناس اي مضلاوين هان سنتنا يا جايكا انتنا دغدانا اي مضلاوين دين ازلا الزيزين وين دا فلاس ارتد زيرن دا تغرتنا مدال فلاس سيدك دختنا اما مدال الزيزين غاس الشنار تنتيدي توا وقتن فلاس هما مدي اللموس يقرو تبان يعني تغرتنا مدال انت موسى ترى تغاد لصلا ونزور لين نزيز النمضات مرة دغا المسافة ندني تقول الأمة تنكول لازل ونزل هذا تودر الزلزنة أما تينا هنزازا واسن تدي ويناس إيجا تم إن نجاك إيدا كوين دين كول زيزي أستو سوادا ندغت ويقرنا المسالة تانا زيزي نمدالا إي ويدي بانشكا إي ويدي دي بان لمزان ewedi ban namasadon ewedi ban sigya dagadia zananu awai mosar masarat hullin تفر تستانو ديزرتفيكاسيون دا da ديسينو داوان نواس داوان زناصر تفرتا نزيزي نما دا تقرا دار Merci Alamine pour euh, cet éclaircissement sur le mot désertification. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, N'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, mmh. écoutons ensemble les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. a studio kalangu ina muku barka da sallah ina gaida ku ina muku fatan alheri allah ubangiji wata allah ya ɗaukake ku bisa aikin ku allah ya kama muku da abin da kuka yan radio murya talaka filinge ina musu matakwa godiya ina gaishe su da abun da annan suna yi filinge suna ba da waye kai ga mutane mun ji daɗin wannan abun da yaran da mayya na filinge duk sun gane abun manhaja ni a radio yan radio filinge Allah yi musu albarka Allah ya saka musu da alheri ina gaida mutanen kunu duka da a cikin yamai da waɗanda annan kunu ina gaida kuma mu na nan meri filinge duka ina gaida mutanen filinge duka amina arziki na nan filinge da nan yamai assalamu alaikum min umar yage min do filinge mi do sanna lenyol an futo woni pullo futo woni miɗo waɗana ɗum barka e julde julɗe mawɗe de allah hollu en gaɗol majje jam no ɗe gari jam allah hollu en jawtol majje jam allah waddan en moƴƴere gaɗa majje miɗo sanna himɓe leñol am fuu to woni miɗo sanna ɗum miɗo barkoto ɗum he julɗe mawɗe ɗe zamani ɗe ɗe mawɗe ɗe ɗe keɓɗen juluɗen jam he sefo allah hokku en sabbumo majjum allah jomirila allah waddan en moƴƴere miɗo sanna leñol am pat to woni miɗo sanna jaɓɓi miɗo sanna addu addu jaage miɗo sanna jaɓɓi jaage miɗo sanna bubakar jage mi sanna gado jage mi sanna cuso jaaje mi sanna kina mi miɗo sanna lenyul an futoni mi miɗo sanna mi miɗo sanna do sanna hisi mo arbi miɗo sanna lenyul an patto woni miɗo sanna lenyul am mi yetti kadi gam e studio kalangu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc ni ne Alhaji Ilyas Ibrahim Gahila, le président communal na association chauffeurie traditionnelle ta Kurfai, donc ta euh, canton de Kurfai. Game ga shi gidan radio studio Kalangu muna sauraron shi ko da wani lokaci. Duk emission kin da suke yi na kowace nan muna sauraron su guda guda sai dai wanda da bamu samu dama ba. Muna musu godiya da wannan kokari da suke yi kuma muna musu barka da wannan shekara muna fatan ko ubangijin Allah ya kara doka wannan gidan radio Allah ya kara ba su sa'a kuma muna fatan su kara matsakaimi kamar yadda suke yi periodin nan dukkan ta shigo suna sawa muhawarori akan wannan periodin to wannan abin muna jin daɗin shi kuma yana taimaka mana kwarai a zamantakayyar mu ta duniya da farko dai da sunan assasan kin mu ta sheferi traditional ina mai martaba na rikon kwariya a filin ge eh, malam adam malam idi barka da shekara ina fata ubangiji Allah ya kama mishi riko na biyu kuma ina ma firifirkin mu shi kuma barka da shekara da sunan dukkan kungiyar mu gabaki da ina ma mara shi ma barka da shekara sannan ku filasan kin mu ta kurfai gabaki daya muna musu barka da shekara muna fata Allah ya Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, c'est avec cette belle sonorité musicale de l'orchestre Jazz Band qu'on va se dire euh, au revoir. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Munkela Ouseni. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. La technique, c'était Mustapha Ayouba et Adam Adawaki à l'édition sur Bon week-end à tous. Bye bye. you.